L'actualité de la semaine a été marquée par la sortie des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey mardi 12 décembre dernier. Ils ont marché jusqu'au Trésor national pour rencontrer le directeur général qui aurait, selon le secrétaire général de l'UNUN, demandé à s'entretenir avec les étudiants. Cita Hamidou Djabri, secrétaire général de l'UNUN. Nous sommes venus pour dire que nous ne sommes pas contents du comportement du Trésor national qui ne prend pas en compte les fournisseurs du Sénat, qui ne prend pas en compte les étudiants tout court. Au moins, il a eu le courage de pouvoir vouloir sortir ici, écouter les étudiants, de notre pays de cœur. Poursuite du rapatriement des Noirs africains vivant en Libye. Un groupe de 114 réfugiés érythréens et somaliens, dont 51 enfants, 22 femmes et un homme, ont trouvé refuge au Niger depuis jeudi soir, selon un communiqué du HCR. Ces les réfugiés ont été hébergés dans des maisons d'hôtes à Niamey. Les enfants sont accueillis dans des centres pour enfants où ils pourront recevoir de l'aide et un soutien psychosocial. En région Agadez, 1064 personnes ont été refoulées de l'Algérie. Elles sont arrivées samedi dernier à Agadez et se trouvent actuellement dans la périphérie de la ville. Elles attendent d'être acheminées dans leur village d'origine. Ce sont les autorités du pays qui ont instruit de nous rapatrier dans notre pays d'origine. Nous étions juste de retour de mendicité quand ils sont arrivés et nous ont demandé de plier nos bagages car nous allons être rapatriés au Niger. Si nous sommes plongés dans cet état de fait, c'est parce qu'il y a une situation difficile dans le pays. Si tu possèdes assez de quoi manger chez toi, qu'est-ce qui va t'entraîner à aller faire la mendicité alors que tu ne présentes aucune situation d'handicap sur le plan sécuritaire, le Conseil des ministres du vendredi 15 décembre 2017 a prolongé de trois mois l'état d'urgence dans les régions de Difa à l'extrême sud-est proche de la frontière du Nigeria, Tilaberi et Tawa à l'ouest proche de la frontière malienne. Pour rappel, l'état d'urgence est en vigueur depuis le 10 février 2015 à Difa et depuis le 3 mars 2017 dans les régions de l'ouest à Tilaberi et Tawa. Le contre le terrorisme au Sahel. 135 millions d'euros, c'est le montant des contributions annoncées ou confirmées par certains pays le 13 décembre dernier à Paris, en France. C'était lors de la table ronde sur le financement de la force conjointe G5 Sahel convoquée par le président français Emmanuel Macron. Les chefs d'État des pays du G5 et plusieurs autres pays et organisations partenaires ont pris part à cette rencontre. En outre, le chef du gouvernement italien a annoncé mercredi dernier que 150 Italiens seront déployés au Niger pour aider à la stabilité au Sahel. Le Parlement italien examinera cette question avant janvier 2018. À Agadez, la police a saisi 42 armes de guerre et des centaines de munitions cachées dans du matériel de sonorisation et des bidons d'huile lors d'un contrôle de routine sur l'axe Agadez-Zander. La même source indique que cette saisie a permis d'interpeller 11 personnes dont des ressortissants d'un pays voisin. Autre sujet de la semaine, c'est le crash d'un petit avion de pulvérisation des services de la protection des végétaux lundi 11 décembre dernier. L'avion a fini sa course au bord du fleuve Niger dans le village de Goudel. Le pilote nigérien s'élabore et sorti avec des blessures. Plusieurs cas de méningite ont été détectés dans la localité de Ngolmalam, département de Myria, région de Zender, le 4 décembre passé. Le ministère de la Santé publique a été alerté de la situation par les structures locales de santé. Abaché Ranao, secrétaire général du ministère de la Santé publique, explique. L'analyse des prélèvements a mis en évidence le méningo-coxique C, souche qui circule au Niger en particulier et dans tous les pays faisant partie de la ceinture de la méningite en général. À la date d'aujourd'hui, 40 cas ont été notifiés par nos formations sanitaires, parmi lesquels un décès. Les médicaments sont déjà disponibles pour la prise en charge gratuite des maladies.